Thank you. Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 6 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment promouvoir la participation active euh, de la femme euh, dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au Niger. Le Niger est confronté à une pluralité de menaces à la sécurité et à la paix. Les femmes sont les principales victimes de ces contextes. En plus euh, des violences subies, elles ont un accès limité aux services sociaux de base, aux opportunités économiques et aux mécanismes de consolidation de la paix. Le gouvernement du Niger s'est engagé à inverser cette tendance à travers l'adoption d'un nouveau plan d'action national de la deuxième génération pour la période 2020-2024. Le plan vise à améliorer la résilience des femmes et des filles nigériennes face aux effets des conflits et en les impliquant davantage dans les mécanismes et instances pour rétablir la paix selon le plan d'action national de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité de la deuxième génération 2020-2024. La prévention durable des conflits nécessite de s'investir dans les cultures de la paix et de disposer d'institutions formelles et informelles dédiées à la résolution non violente des conflits. La participation des femmes permet donc de mieux comprendre les causes des conflits et des alternatives possibles. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse et des explications le rôle et la contribution de la femme dans la prévention et la gestion des conflits au Niger, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour la promotion de la paix et une meilleure gestion non violente des conflits. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Madame Soumana Fatima Magaji, directrice de la promotion de la femme et du genre au ministère de la promotion de la femme de la protection de l'enfant, Madame Soumana Fatima Magaji. Bonsoir. Bonsoir. Madame Kari Falmata, membre du réseau des femmes pour la paix, REFEPA. Madame Chari Falmata, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Madame Ibrahim Azara El Haj Mahmoudou, dite Ali Tan, présidente de l'Association des femmes nigériennes contre la guerre, qui participe au téléphone depuis Agadez. Madame Ibrahim Azara El Haj Mahmoudou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Madame Soumana Fatima Magaji. Le Niger étant entouré de plusieurs foyers de tension, il est primordial de prévenir les conflits en impliquant, mais aussi en employant la femme et la jeunesse. Quelle est la politique du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant au sujet de l'implication et la responsabilisation de la femme de la prévention et la gestion des conflits Merci Mokhtar. Avant tout propos, je me présente d'abord mes vifs remerciements au studio Kalangu qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer sur un sujet aussi important que la participation de la femme dans le mécanisme de prévention et de gestion des conflits au Niger. Donc euh, pour répondre à votre question, il est important quand même de rappeler que c'est depuis 2008 que le Niger a adopté la politique nationale JAR. Donc en 2017, cette politique nationale a été révisée pour euh, la prise en compte de nouveaux défis qui sont effectivement liés à la question des paix et de sécurité et aussi à la question du changement climatique et aussi des urgences humanitaires. Et cette politique-là, elle vise quand même à faire des hommes et des femmes et des filles et du Niger des acteurs et des actrices du développement durable tout en les amenant en tout cas à participer à ces développements là et à jouir des bénéfices de ces croissances. Comme vous l'avez aussi bien souligné, le Niger a aussi adopté depuis 2017 un plan d'action femmes, paix et sécurité de, deuxième, de première génération donc qui vise à améliorer la résilience de femmes et de filles nigériennes face aux effets de conflits et à les impliquant davantage dans tous les mécanismes et les instances pour rétablir la paix. Donc, euh, ce premier plan d'action a connu une mise en œuvre et il a été évalué. Donc, lors de cette évaluation aussi, et on avait remarqué qu'il y avait des résultats probants qui encouragent, mais il y a aussi des insuffisances. Donc, compte tenu de ces insuffisances, un nouveau plan a été adopté pour la période 2020-2024. Ce nouveau plan aussi vient répondre au nouveau contexte conflictuel parce qu'il y a une évolution quand même du conflit même la nature du conflit, elle évolue. Ce qu'on connaissait dans les années 1999, c'est pas ce qu'on connaît maintenant. Qui était une rébellion. Qui était une rébellion. Donc les choses ont évolué. Donc les conflits ont pris encore d'autres formes. Donc compte tenu de cette situation, il faut aussi s'adapter au nouveau contexte. Aujourd'hui, c'est le terrorisme qui inquiète. C'est le terrorisme qui inquiète, donc avec euh, tout son lot de désolation. Donc c'est ça qui a amené le gouvernement à adopter les nouveaux plans d'action de la deuxième génération 2020-2024. Donc, euh, ces plans d'action, ils reposent sur cinq axes prioritaires, à savoir la prévention, parce que tout ce que nous devons faire, mieux vaut prévenir, comme on l'a dit, que guérir. Donc, euh, il y a un axe prévention, il comporte un axe protection, un axe participation, un axe partenariat et un axe coordination. Ce plan-là d'action a mis en place déjà fait un mécanisme de coordination, de suivi des instances inspirées de la résolution 1325 de l'agenda femmes, paix et sécurité afin d'impacter durablement les femmes et les filles qui continuent d'être éprouvées par le contexte sécuritaire ambiant. Donc cette volonté d'apporter des réponses coordonnées, adaptées et alignées sur les priorités nationales souligne l'engagement de l'État nigérien à améliorer positivement et durablement les conditions des citoyens et des citoyennes dans un pays moderne. Donc ça, ce plan d'action, il reprend la vision de la stratégie de développement durable et croissance inclusive qui veut faire du Niger un pays moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles dans une Afrique unie et prospère à l'horizon 2035. Madame Soumana Fatima Magaji du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, dans tout conflit, les femmes et les enfants sont les plus exposés. Quelles sont les dispositions prises par euh, votre ministère pour mieux assister et accompagner les victimes de ces conflits Et merci aussi de cette question. donc, euh, je rappelle que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant n'est pas le seul acteur à intervenir dans le cadre, en tout cas, de euh, la prise en, charge des femmes et de l'assistance aux victimes de conflits. Il y a aussi d'autres organisations qui interviennent. Donc, nous, on contribue dans ces cadres. Il y a la haute autorité à la consolidation de la paix qui intervient. Il y a aussi les organisations féminines qui interviennent dans le cadre aussi de, la restauration et de la préservation de la paix. Donc, c'est plus acteurs. Nous, nous apportons notre contribution et par rapport à cette contribution, effectivement, il y a des initiatives très encourageantes que le ministère a, initié et avec, comme je le disais, la contribution de toutes les parties prenantes. Et on peut citer entre autres l'amélioration du rôle des femmes dans la prévention, la médiation des conflits et la cohésion sociale au niveau communautaire, notamment à travers la mise en œuvre de plusieurs projets. Donc il y a plusieurs projets qui ont été mis en œuvre eh, en collaboration avec euh, comme je le disais au préalable, les organisations de la société civile, les institutions qui interviennent dans le cadre de la consolidation de la paix avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Donc, plusieurs projets ont été mis en œuvre dans différentes régions, à Tilaberi, à Tawa, à Dosso, à Zender et à Maradi. Donc, euh, il y a aussi la promotion du leadership féminin croissant pour faire, comme on l'a dit, que les femmes jouent un rôle quand même important dans le cadre de la consolidation de la paix. Ça, c'est, d'ailleurs, c'est un rôle très traditionnelle de la femme. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que tante, en tant que fille, les, femmes jouent un rôle très important pour améliorer, en tout cas, euh, l'instauration de la paix, la cohésion, sociale dans la société nigérienne. Il vous arrive de temps en temps d'effectuer des visites du terrain euh, dans les localités euh, concernées par l'insécurité Oui, tout récemment, avec euh, la tournée de la ministre dans les différentes régions, on était parti dans les camp de refusés, on les a rencontrés, on a échangé avec euh, ces femmes. Et il y a beaucoup des initiatives aussi qui sont en train d'être faites. Au niveau des régions, nous avons ce qu'on appelle des groupes de travail protection. Donc, euh, au niveau de ce groupe de travail protection, il y a les questions de protection de l'enfant dans les zones de conflit, il y a la gestion des violences basées sur les genres qui se font. Et c'est avec nos services de concentrer les directions régionales, les directions départementales qui le font à travers les services de protection. Donc vraiment, il nous arrive des... C'est pas qu'il nous arrive, ce sont des choses qu'on fait régulièrement parce qu'au niveau de ces groupes de protection, c'est les, les directions régionales qui portent les de tous les acteurs humanitaires qui interviennent dans le cadre de la protection des survivantes de violences basées sur les genres et des victimes de conflits. Merci beaucoup, Madame Soumana Fatima Magaji. Je rappelle que vous êtes la directrice de la promotion de la femme et du genre au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Si la ligne est bonne, nous allons partir du côté d'Agadez. Madame Ibrahim Azara El Hajj Mamoudou au Niger, c'est depuis les accords de paix entre l'État du Niger et les différentes rébellions que les femmes participent à la consolidation de la paix. Quel rôle les femmes ont joué dans le cadre de la promotion de la paix pendant et après les différentes rébellions au Niger Je remercie euh, Kalangu de m'avoir donné cette occasion. Donc, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, depuis euh, la, la, première rébellion jusqu'à la deuxième rébellion et jusqu'aujourd'hui, les femmes ont toujours joué un rôle très important dans surtout la prévention et la consolidation même de la paix. Oui, ça, les femmes, quand même, à Agadez, je pense que vous avez une idée de ce qu'elles ont fait, surtout pendant la deuxième rébellion. Pourquoi C'était pendant la première rébellion, les femmes ont constaté qu'il n'y a pas mieux que la paix. Les femmes ont constaté que quand il y a rébellion, quand il y a conflit, quand il y a autre chose, vraiment, c'est toujours les femmes qui souffrent, c'est toujours les femmes et les enfants, les femmes et les jeunes. C'est pourquoi, dès la fin de la rébellion, les femmes d'Agadez se sont constituées en groupe, en équipe, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus même de conflit, qu'il n'y ait plus de veuves, qu'il n'y ait plus d'orphelins. Et elles ont commencé d'abord par la sensibilisation, la création des associations, des groupements féminins et tout ça là. Et elles ont continué jusqu'ici. Maintenant, lors de la deuxième rébellion, lors de la deuxième rébellion, c'est là où les femmes d'Agadez on fait un travail extrêmement, euh, je ne sais même pas comment les qualifier. Parce que si vous vous rappelez, l'État du Niger, ne voulant pas négocier avec les, rebelles, c'est des bandits, donc il ne faut pas négocier avec les bandits, on ne peut pas se retrouver autour d'une table. Et de l'autre côté, les bandits ou les rebelles, eux aussi sont restés sur leur position. La suite, nous la connaissons tous de mort des morts, des veuves, qui des orphelins, tout ça là. C'est pourquoi nous, les femmes d'Agadez se sont retrouvées pour aller apporter leur modeste contribution vers les autorités, vers les rebelles. Elles ont fait un peu ce qu'on appelle la médiation en, quelque sorte. Parce qu'elles ont pleuré du côté du gouvernement pour dire que non, il faut vraiment faire quelque chose et que voilà, voilà. Elles sont parties de l'autre côté aussi. Et il y a même eu euh, des missions de Niamey qui sont venues sur euh, des des femmes d'Agadez. Parce que nous, notre association, c'est une association nationale. Donc on s'est adressé à notre président et notre président s'est à s'adresser au REFEPA et voilà comment elles ont organisé une mission pour venir à Agadez, rencontrer les femmes d'Agadez, rencontrer les autorités. Avant même de venir, elles ont rencontré les, autorités au niveau des, au niveau Niamey. Donc euh, vraiment, c'était comme ça quoi. Madame Ibrahim Azara El Hajj Mamoudou, quel a été l'impact de ces différentes rébellions pour le tourisme et l'artisanat, surtout féminin, hein, dans la région d'Agadez? Bon, l'impact, nous le, connaissons parce que l'impact, surtout l'impact, ce n'est même pas la rébellion, mais je dirais que c'est l'insécurité après la rébellion. L'insécurité résiduelle. C'est l'insécurité résiduelle. Et puis, avec le démantèlement de l'État libyen, avec tout ce qui se passe tout autour, vous n'êtes pas sans savoir que les armes qui ont été utilisées pour l'occupation de notre pays ont transité par la, région d'Agadez, par le désert et en provenance de la Libye. Mais tout ça, là, réuni, c'est que la femme a acquis des connaissances et des stratégies pour pouvoir amener la population à être résiliente. Par la sensibilisation, par euh, tous euh, il faut passer par tous les moyens pour qu'il n'y ait pas un impact dans, la région d'Agadez ou dans le Niger. Maintenant, avec ce qui s'est passé à Arlit, que nous avons tous déploré, il y a eu la déclaration de la zone d'Agadez, de la région d'Agadez comme zone rouge. Donc, du coup, il n'y a pas de tourisme, il y a l'artisanat. Vous faites allusion à l'enlèvement euh, des, des, travailleurs euh, de la Cominac et oui, du hein. oui, aux travailleurs qui ont été enlevés à Arlit. C'est suite à ça que la région d'Agadez a été déclarée comme zone rouge parce qu'il y avait quand même des trafics de tout genre dans la, région. Ça, il faut les reconnaître. Il y a des trafics d'armes, il y a des trafics parce que tous ceux qui venaient de la Libye, là, ils transitent par, le désert d'Agadez. Et puis, il y a eu cet, événement, ce malheureux événement, l'enlèvement des, gens qui ont été enlevés à Arlit et puis. Euh, il y a eu la, déclaration de la région d'Agadez comme zone rouge. Les gens se sont retrouvés dans le chômage, les gens se sont retrouvés sans rien, quoi. Ce qui a mené euh, les sécurités résiduelles, les attaques à main armée, les attaques sur les, sur routiers, les attaques même dans les maisons part des motos, parce que les gens n'avaient plus rien à faire. Mais eh quand même, avec la, la, migration, les activités liées à la migration, telles que les transports, l'hébergement, toute la chaîne là du tourisme s'est retrouvée dans cette affaire dans les activités liées à la migration. Mais un bon matin, il y a la, loi 036 de 2015 qui est tombée, qui criminalise une activité qui était déjà une activité légale. Légale parce qu'elle est pratiquée au niveau des gares. Je sais qu'à Agadez, j'avais deux gares quand même. Une gare euh, en direction d'Assamaka et une gare en direction de Donc À vous entendre, cette loi a aussi asphyxié davantage la région d'Agadez sur le plan euh, sécuritaire. oui parce qu'il y a eu beaucoup de chômage. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont là. Et les jeunes là se sont mis à, arrêter les routes, les axes. L'insécurité résiduelle, l'insécurité sur des axes que vous connaissez. Donc euh, ça s'est vraiment aggravé. Maintenant, avec les sites orifères là, avec les sites euh, d'orpaillage aussi. Il y a une insécurité autour de ces sites, que ce soit autour de ces sites, que ce soit sur les axes. Vraiment, c'est l'insécurité totale, quoi. Alors, Madame Ibrahim Azara El Haj Mamoudou, comment la femme contribue-t-elle aujourd'hui à la prévention de ces crises et ces conflits au Niger Bon, après mille réflexions, <laughs> il y, a même, eu un autre problème, c'est le problème de la cohésion. Suite à cette loi-là, qui interdit les transports, l'hébergement, tout ça, les activités liées à la migration. Vous savez que les migrants, les gens se sont trouvés encore beaucoup plus pauvres qu'avant. Maintenant, il y a eu ce que nous, nous avons appelé, puisque tous les projets qui étaient là, les migrants sont là. On les empêche de continuer. Ils ne peuvent pas continuer. Ils sont là. Mais tous les projets, toutes les organisations, on les a braqués sur les migrants. Ce n'est pas mauvais. Parce que ces gens-là, d'autres, ce ne sont pas là par détail de des cœurs, d'autres ils sont obligés de quitter chez eux et que nous aussi nous avons des gens qui migrent ailleurs on veut bien qu'on s'occupe d'eux. Donc ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, quand même, il y a eu un sentiment de frustration au niveau de la population locale. Quand il y a eu ces frustrations-là, par crainte que ça dégénère et que ça devienne des conflits entre la, population et les migrants, ce qui peut arriver, parce que vraiment la population était frustrée, elle était déjà dans le problème de la loi 036, et puis voilà ce qui se passe, on s'occupe des autres jusqu'à la prise en charge, jusqu'à la brosse à dents, et de l'autre côté, moi je n'ai rien, je suis là, je regarde seulement, ça a failli faire des choses. C'est que qu'au niveau des femmes, surtout les femmes et les jeunes, se sont retournés vers euh, ceux qui s'occupent des migrants, en l'occurrence l'OIM, pour dire que non, écoutez, ce que vous faites là, on connaît la, la mission de l'OIM, on sait qu'elle a une mission, mais faites en sorte que la population là aussi ait quelque chose il faut l'intégrer pour, ne pas créer des problèmes entre la population locale et les migrants. C'est ainsi qu'il y a eu le projet de stabilisation communautaire de l'OIM, financé par le BBF et l'Union européenne. Et je sais que ces projets-là, il y a des associations, plusieurs ONG, plusieurs groupements ont bénéficié de ça. L'objectif, au niveau de la FNCG, on a présenté un, projet. Le projet que nous avons présenté, c'est la mise en place, de, la création de comités d'éveil. Dans ce comité d'éveil, on met la population, on met les, les migrants internes, et les migrants externes. On met tout le monde ensemble. On le met ensemble et on crée un comité de 15 personnes. Et ce comité de 15 personnes-là, il est là pour surveiller ce qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose, ils se réunissent. Il y a les migrants, il y a la population locale, il y a les migrants internes aussi. Maintenant, ils se retrouvent. S'ils peuvent avoir une solution par rapport à ces problèmes, ils trouvent la solution, le, le problème est résolu. Dans le cas échéant, ils font appel aux associations et nous, on fait appel aux, autorités. Et c'est comme ça que ça a calmé. À un moment donné, on s'était dit qu'il faut aussi les accompagner par des AGR, par des microcrédits. Ce qui s'y fait. Après, les femmes et les migrantes et la population de quartier sont retournées pour dire que non, dans cette affaire-là, nous, on veut profiter des connaissances de ces migrantes-là, de leur savoir-faire. Elles aussi, elles doivent euh, profiter de notre savoir-faire. Donc, il faut qu'on crée un cadre. On est retourné encore vers l'OIE, mais ils ont créé un centre polyvalent des femmes où les femmes aujourd'hui travaillent ensemble. Merci beaucoup, Madame Ibrahim. Azara El Mamoudou, nous allons revenir vers vous dans la deuxième partie de ce forum. Le temps de donner la parole à Madame Chari Falmata du REFEPA. Le REFEPA, c'est le réseau des femmes pour la paix. Madame Kari Falmata, au Niger, plusieurs organisations féminines travaillent pour la restauration et la préservation de la paix. Ces organisations sont-elles soutenues par le gouvernement nigérien et merci beaucoup. D'abord, il y a plusieurs organisations il y a le REFEPA, Réseau des femmes pour la paix, il y a le RESFECPO. Le REFEPA est dirigé par Madame Ibrahim Mariama, le RESFECPO est dirigé par Madame Bana et le RENAFEP qui est dirigé par Madame Mariama Katambe et l'association de lutte des femmes dirigée par Madame Ben et Mme euh, Madame Alitan dont vous venez d'entendre donc ces, associations font de la prévention et de la gestion des, conflits. Ils font aussi de la cohésion sociale. Donc nous, pas on avait un programme Rafasi, n'est-ce pas On a des zones d'intervention comme la région de Dousso, la région de Maradi, où après Rafasi, après le projet Rafasi, on a eu un financement de ONU Femmes qui a fait qu'on a formé 600 femmes médiatrices dans les régions de euh, Dosso et de Maradi, Dosso, Gabi et Kankandi, Maradi, Madarumfa et Gabi. Donc là, il s'agit des conflits internes, parce que vous savez, il y a plusieurs types de conflits qu'on gère. Il y a les conflits internes et les conflits externes. C'est quoi les conflits internes les conflits internes, c'est par exemple les bagarres, si vous voulez, entre agriculteurs et éleveurs ah. qui se font à l'approche de l'hivernage et même avant, pendant et après. Parce que vous savez, éleveurs et agriculteurs, depuis les temps, les vieux temps, depuis les temps séculaires, c'est une guerre en ce qui concerne surtout les couloirs de passation. Il y a aussi les conflits fonciers. Voilà, les conflits fonciers. Donc, euh, les éleveurs avec leurs leur troupeaux envahissent les champs. Ce n'est pas une entente tacite et maintenant ils détruisent les récoltes et c'est sujet à des conflits. Alors, voyant ceci, sous l'égide de l'ONU Femmes et de leur financement, on a formé des femmes médiatrices pour gérer ce type de conflit. Maintenant, ça a été jugulé, on a sensibilisé les femmes médiatrices, on leur a appris, on leur a appris comment gérer ce type de conflit. Elles ont su juguler ces conflits et de, plus en plus, dans ces régions, les gouverneurs même se posent des questions. Pourquoi il n'y a plus de conflits éleveurs-agriculteurs et ces femmes médiatrices sont allées jusqu'à agir dans les foyers pour même juguler certains divorces. Donc ils ont outrepassé. Et le secrétaire général de l'ONU a félicité même le RIFEPA pour vraiment cette gestion et, et prévention de ces conflits-là. Donc ça, c'est le type de conflit qu'il y a. Interne, il y a aussi des conflits internes, c'est-à-dire des agressions dans les villes actuellement que vous voyez. Ah, les jeunes qui n'ont plus de travail attaquent les gens avec des armes blanches, ils les poursuivent jusqu'à leur domicile et ils sont à moto. Il y a aussi d'autres types de conflits dans des zones rouges comme Terra, si vous voulez, dans la région de Tilaberi, n'est-ce pas La région de Maradi, la région de Difa. De Et ça, ce sont euh, les violences, si vous voulez, les extrémistes religieux, les terroristes, les bandits armés qui agissent sur la population, surtout à Tilaberi ou des villages entiers sont dévastés, des greniers sont brûlés, il n'y a plus à manger. Ces déplacés-là reviennent en ville, dans les villes de Tilaberi et autres. C'est des problèmes. Et aussi, il y a des cas de viol à Terra. Il fallait juguler toutes ces crises-là, n'est-ce pas Réinsérer socialement ces femmes-là. Donc ça, ce sont des types de conflits internes qu'on rencontre. Des conflits dans les villes et des conflits aussi transfrontaliers, des conflits externes vous allez voir les éleveurs du Niger et les éleveurs du Mali qui sont en conflit à cause du troupeau, etc., etc. Et les terroristes aussi qui protègent les routes. Et elle l'a dit, Madame la directrice, et Alitan aussi surtout l'a dit, les routes transsahariennes, qu'est-ce que c'est Il fallait attaquer ou bien protéger ces routes-là parce que c'est un chemin de transport d'armes qui vont servir à attaquer, c'est un chemin de transport de drogue c'est un chemin de mercure pour les faux billets. C'est pour ça que ces extrémistes-là, ces bandits armés agissent dans les frontières, les types de conflits externes. Vous intervenez dans tout ça là On intervient dans tout ça avec euh, l'appui des ONG et de plus en plus, on est en train de juguler ces conflits, les déplacer, on les gère, les femmes violées, on est en train de leur faire leur réinsertion sociale, on les invite même à se plaindre parce que c'est un mutisme, elle ne parle pas. Donc avec la sensibilisation, il y a une dénonciation. Donc qu'est-ce qu'il faut gérer Les déplacés, les femmes violentées, les violences faites à la femme dans ces régions-là. C'est ça qu'on est en train de gérer dans les régions de Tilaberi et dans les régions de Dousso et Maradi, les conflits agriculteurs-éleveurs. et Madame Kari Falmata, le Niger a ratifié plusieurs euh, conventions internationales relatives aux droits humains en général et la convention sur euh, l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard euh, des femmes CDF qui prône l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en particulier. La CDF a été ratifiée le 13 août 1999 avec cinq articles sous réserve. Quelle est la situation de de la femme nigérienne plus d'une décennie après la ratification du CEDEF. De plus en plus, la femme a été sensibilisée par rapport à l'accès à la justice. Parce que, au départ, la femme ne sait pas qu'elle a un droit. Donc, avec cette CEDEF, la femme a su qu'elle a des droits et des devoirs. Donc maintenant, de plus en plus, elle part à la justice, surtout par rapport à la marginalisation, et par rapport au divorce, aux affaires du couple. La femme se plaint dans les associations islamiques, elle part à la justice, elle se plaint de plus en plus. Avant, elle ne faisait pas tout cela. Avant, elle ne savait pas qu'elle a des droits c'est un mutisme total. Maintenant, avec cette sensibilisation, la femme de plus en plus, il y a eu un éveil sur le plan justice. Et il y a eu aussi un éveil sur le plan scolaire, scolarisation, sur le plan analphabétisme de plus en plus. Donc la femme est sensibilisée et aussi par rapport à l'accès à la santé, les trucs de base, n'est-ce pas, la femme est sensibilisée. Donc tout à l'heure, je parlais des déplacés et vous savez, par rapport à ça, je reviens en arrière, il y a plus de 1000 écoles qui ont été formées. Et pour, cause d'insécurité. À, à, cause d'insécurité. Et l'État a pris des dispositions n'est-ce pas, pour rassembler ces, élèves-là dans des, centres pour pouvoir quand même finir leur scolarité, les maintenir à l'école et pour qu'il y ait un taux d'achèvement. Donc cette CDF-là, e malgré des réserves, elle est salutaire. Elle, vraiment, elle a sorti la femme de l'ornière. Mais est-ce que la femme est pleinement autonome Est-ce que l'autonomisation de la femme est une réalité ici au Niger aujourd'hui De plus en plus, la femme et autonomiser. Je parle sous le contrôle du ministère de la Promotion de la Femme. Ils ont même une direction de l'autonomisation. On leur donne de l'AGR, n'est-ce pas, pour qu'elles fassent des activités génératrices de revenus. Et on a libéré la femme de ses fardeaux. Parce que vous savez, avant la sensibilisation, avant, avec la, la démocratie, avec l'avènement de la démocratie, la femme travaillait avant 20, 21 h sur 24. Il faut qu'elle fasse la corvée d'eau, la corvée de puits, la corvée de bois, préparée. Elle travaille 21 heures sur 24. Alors, avec les bailleurs de fonds qui ont fait la promotion des fourrages, des, moulins, la femme s'est libérée et de plus en plus. Il y a eu un changement aujourd'hui. Il y a eu un changement. De plus en plus, la femme peut faire du, du commerce. Donc, elle est autonomisée elle dépend de moins en moins de l'homme. Merci beaucoup à tous. On a fait une courte pause. Si la ligne est bonne, nous allons aller euh, du côté euh, d'Agadez. Madame Ibrahim Azara El Hajj Mamoudou, quels sont les meilleurs moyens de prévention des conflits ici au Niger Bon, moi je pense que le meilleur moyen de c'est peut-être euh, la sensibilisation, ça c'est un. Et deuxièmement, la sensibilisation, la conscientisation. Et puis éviter la frustration. Éviter la frustration. D'un autre côté, on pense aussi qu'il faut aussi occuper les jeunes. Vous pensez que les femmes... l'ignorance et la pauvreté. Vous pensez que les femmes et les jeunes sont frustrés ici au Niger Bon, il y a des actes qui peuvent frustrer. Je ne dis pas qu'ils sont frustrés jusqu'à mais il faut éviter quoi, que ça ne vienne pas. C'est dans le cadre de la prévention. Nous nous parlons de la prévention. Pour prévenir, il faut éviter tout ce qui peut frustrer, tout ce qui peut amener quelqu'un à prendre une autre position. Quoi. Même si ça ne se fait pas, il faut l'éviter. Vous faites allusion au chômage des jeunes et des femmes En tout cas, regardez, c'est ça le problème. C'est le problème de chômage, hein. ça vraiment c'est un problème au niveau de la région d'Agadez parce que les gens ont perdu toutes les activités. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de transport des migrants, hébergement et tout ça. Là. Toutes les activités liées à la migration sont, sont, devenues criminelles. Donc, il euh, faut faire quelque chose. Quoi. Alors, Madame Ibrahima Azara El Hajj Mamoudou, comment amener la jeunesse nigérienne à œuvrer, à s'engager dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale euh, Il faut les responsabiliser. Moi, je pense qu'en les responsabilisant, et en euh, faisant des hommes de paix. Parce que la paix, là, vraiment, elle n'a pas de prix. Et aujourd'hui, tout le monde, même les jeunes savent qu'il faut, ils ont, même besoin de la paix. Il y a des actes qu'ils posent, euh, c'est pas des guettés de cœur qu'ils les hein. Moi, je pense que. Maintenant, moi, ma proposition, ces jeunes-là, il faut les occuper. On a des terrains, on a des loups, on a des, il faut les occuper dans les jardinages, dans l'élevage, dans, dans tout ça là. Comme ça, il n'y aura pas de, de conflit, il n'y aura pas de, quand quelqu'un là est occupé. Ici, aujourd'hui, le problème c'est la consommation de stupéfiants. Et toute analyse faite, c'est parce que les gens n'ont rien à faire. Ils se retrouvent autour du, thé et ils ne font que boire. C'est vraiment un problème, la consommation de stupéfiants. C'est un problème, le chômage des jeunes. Il faut vraiment les occuper. Nous, nous pensons que même cette lutte-là, de ce qui se passe au niveau du Sahel, en occupant les jeunes, c'est la meilleure stratégie. Comme ça, on n'aura pas des gens à recruter pour aller... Euh, ou se faire piller. L'occupation des jeunes et l'indépendance économique des femmes aussi c'est important. Parce que la femme, là, quand, elle est, quand elle est indépendante économiquement, elle va s'occuper de la famille, elle va s'occuper de ces jeunes-là, elle va s'occuper de ses enfants. Et il n'y aura pas beaucoup de mécontents, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont errer dans, les rues ou, se faire recruter. Madame Ibrahim Azara Hadja Mamoudou, vous parlez tantôt de l'indépendance économique euh, des femmes et de la jeunesse. Au Niger, la place euh, des femmes en tant qu'actrices économiques est reconnue et plusieurs propositions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de leur statut social et économique sont formulées dans la Constitution et dans les politiques d'appui au développement économique du pays. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement Bon, moi je sais qu'il y a eu quand même beaucoup d'actions qui ont été faites en faveur de femmes. Par exemple, les AGR. Mais aujourd'hui, nous savons que les AGR, là, on peut faire plus que ça. Les AGR, je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand même, on peut créer des unités, des petites entreprises aux femmes. Et ça leur permet, elles aussi, de, créer des emplois aux jeunes, de recruter d'autres. Mais avec les AGR, là, c'est vrai, ça a fait, mais euh, on n'arrive pas quand même, à, on ne pourra même pas développer avec. Euh, c'est difficile quoi de faire un développement avec les AGR. Ils ont, les, on a vu leurs limites Parce que ça fait des années, des années que nous sommes dans les AGR. Le Niger a injecté pas mal d'argent, pas mal de, fonds dans le cadre des AGR. Les, les partenaires aussi. Mais jusqu'ici, toujours, on se plaint de la pauvreté, on se plaint des manques euh, de développement, de tout ça. Là. Donc, il faut changer de stratégie. Allons-y vers la terre, cultivons la terre, occuper les jeunes avec la terre et pour les femmes là. Il faut créer des petites unités, des petites entreprises. Vraiment, je pense que c'est mieux quoi. Mais je, sais que les Niger et les partenaires ont fait beaucoup de choses dans le cadre des AGR. Mais ça a montré leur limites. Maintenant, il faut changer de stratégie. Allons-y vers, la création d'emplois. Et pour créer l'emploi, il faut que les femmes là, il faut qu'on permette aux femmes de créer des entreprises pour recruter d'autres femmes, pour recruter d'autres jeunes, pour recruter d'autres personnes. Merci. c'est valable aussi pour les jeunes. Merci beaucoup, Madame Ibrahim Azara El Hajj Mamoudou euh, depuis Agadez. Euh, revenons dans ce studio avec euh, Madame Soumana Fatima Magaji. Dans la constitution de la 7e République du Niger, il est stipulé que l'État veille à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées les politiques publiques euh, dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. L'État prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas. Euh, quelles sont les mesures prises euh, pour la mise en œuvre euh, de cette euh, disposition eh, Merci, M. Mokhtar. Par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement nigérien, eh, nous avons d'abord l'adoption de la Constitution même et, l'adoption plutôt de la politique nationale JAR qui, est quand même euh, citée dans cet article. Donc euh, la politique nationale, c'est quand même une loi constitutionnelle puisqu'elle est citée dans l'article 22 de la Constitution. Et comme je le disais au préalable, cette euh, politique nationale JAR a été adoptée d'abord depuis 2008. Donc elle a été mise en œuvre et puis elle a été évaluée et révisée en 2017 pour la prise en compte des nouveaux défis de l'ère, notamment la question de paix et sécurité, la question des changements climatiques, la question des urgences humanitaires. Donc cette politique est assortie d'un plan d'action décennal et dans lequel toutes les euh, actions à réaliser ont été déclinées. Actuellement, nous sommes dans une perspective de l'évaluation de ce plan d'action Sénat pour voir quels sont les progrès qui ont été réalisés, quelles sont les insuffisances et pouvoir aussi eh, les corriger. Donc nous avons aussi, comme euh, l'a dit Madame Azara, par rapport à l'autonomisation économique de la femme, nous avons une stratégie et d'autonomisation économique de la femme qui a été adoptée aussi depuis 2017, qu'elle est assortie de, son plan d'action et les activités ont été mises en œuvre. Comme elle l'a dit, il y a des activités génératrices de revenus, il a euh, les, euh, les femmes ont été équipées en matériel d'allègement des tâches domestiques, en matériel euh, de transformation des produits agro pastoraux tout ça là on a fait. Donc, elle avait parlé des cas des AGR de femmes. Et il y a aussi l'entrepreneuriat. Il ne faut pas aussi, comme elle l'a dit, on devait aller au-delà des activités génératrices de revenus pour penser maintenant à l'entrepreneuriat féminin, pour permettre aux femmes d'être véritablement et autonomes économiquement pour leur permettre vraiment de, créer des emplois pour euh, pouvoir en tout cas engager d'autres femmes et d'autres jeunes et puis pallier à la question d'insécurité qui est liée pour la plupart des cas à l'oisiveté des, des, jeunes et des femmes comme elle a si le dire. Nous avons aussi la politique elle a une stratégie de lutte contre les violences basées sur les gens Donc, elle a aussi été adoptée en 2017. Elle est aussi assortie d'un plan d'action. Le plan d'action, il est actuellement aussi en train d'être évalué. Il y a plusieurs actions qui ont été menées dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants à travers l'initiative Spotlight qui a été mise en place, donc euh, qui est aussi en train vers sa, vers sa fin. Et donc l'évaluation aussi a produit qu'il y avait eu des résultats très, très encourageant par rapport à la prévalence de différentes formes de violences basées sur les genres, notamment les violences sexuelles, comme par exemple le, les viols. Les viols, c'est même un type de violence. Et les violences psychologiques, les violences physiques les deniers de, ressources et d'opportunités, parce qu'on a, on a largement, euh, Madame Azar avait largement parlé de ça, c'est une forme de violence. Si la femme n'a pas les opportunités économiques pour exercer une activité, avoir un revenu pour subvenir à ses propres besoins et aux problèmes et aux besoins de sa famille, parce que comme on l'a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute, une, nation. Et si on arrive aussi à autonomiser euh, économiquement la femme, on arrive aussi à autonomiser la famille et puis la nation. Parce qu'on sait les rôles que quand même les femmes jouent au sein de la famille, pour la préservation de la famille, pour l'éducation des enfants, pour la prise en charge alimentaire, vestimentaire. je, ne dis pas que les, hommes ne font rien, mais les femmes aussi contribuent dans ces cadres. Donc c'est pourquoi nous avons une stratégie d'autonomisation économique, parce qu'il faut cadrer les choses. Nous sommes dans un contexte socio-culturel bien précis. La liberté totale et absolue n'existe nulle part. Donc dans le cadre de l'autonomisation, vraiment c'est l'autonomisation économique de la femme. Dans notre contexte socio-culturel, il faut autonomiser la femme sur le plan économique. Et une fois qu'elle est autonome économiquement, les autres formes d'autonomie aussi vont suivre, mais qui sont cadrées, toujours en prenant en compte notre contexte socio-culturel et religieux. C'est très important il faut le dire. Nous avons aussi un programme national par rapport toujours à ce que le gouvernement est en train de faire. Nous avons un programme national de leadership féminin qui a été élaboré en 2020 pour une période 2021-2025, donc parce que la participation aussi des femmes dans les instances de prise de décision, elle est très importante. Et pour cela, l'article 22 de la Constitution a cité la loi sur les quotas. Et cette loi sur les quotas, elle a été adoptée depuis 2000. La loi 2000-008 17 juin 2000. Elle a connu une première révision en 2014 et la deuxième révision, c'est la loi 2000. 1969 du 24 septembre 2019, modifiant et complétant la loi 2008 du 7 juin 2000 qui institue un système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État et son décret d'application, qui est le décret du 26 août 2020, qui a permis une nette amélioration de la représentation quand même des femmes au niveau des instances de prise de décision. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons 51 femmes. Donc, euh, je pense que si on regarde au niveau de la sous-région, peut-être en dehors du Sénégal, là où c'est la parité qui est appliquée, le Niger a, connu un grand pas. Même si quelque part. C'est dit aussi l'adoption de, la loi. de la loi sur les quotas. Donc, au niveau aussi des de postes euh, électifs, comme euh, au niveau des conseillers, nous avons, si j'ai bonne mémoire, 1200, 1224, en tout cas plus de 1000 et quelques femmes conseillères municipales. Nous avons six ministres au sein de notre gouvernement. Donc vraiment, moi, je pense qu'il y a quand même, le gouvernement a mené beaucoup d'efforts dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Même quand je l'ai dit au préalable, un État idéal n'existe pas. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame Soumana Fatouma Magaji, pour euh, toutes ces explications. Madame Kari Falmata, dans ses euh, travaux de consolidation de la paix, euh, refait pas identifie et renforce les initiatives de paix afin de parvenir à une paix durable. Il fait des recherches et traditionnelles et les méthodes de résolution des conflits modernes en s'appuyant sur les meilleures pratiques développées par les femmes dans dans ce domaine-là Quelles sont ces pratiques Et le pas a, si vous voulez, réveiller le COFODEP, n'est-ce pas Les, Commission commissions Départementale. foncières, départementales. Le COFOCOM, etc., surtout par rapport à l'accès de la femme et au foncier. Au foncier, à la terre. À la terre. Donc, présentement, on a fait des sensibilisations aux chefs de village pour délivrer des actes de cession, aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui sont détenteurs de ces actes signés par, si vous voulez, ces chefs de village en trois exemplaires ou cinq qu'on distribue dans les communes, dans les mairies et dans les gouvernements. Tout ça, là, ce sont les actions du REFIPA. Ce sont les actions du REFIPA. Donc, c'est des formations. On a dû former, on a formé des, bureaux de COFODEP et même des jeunes avec Dimitria, je crois, en synergie. Parce que REFIPA, il faut qu'on se mette en réseau maintenant. Il faut faire un réseautage avec REFESCO, avec RENAFEP et sous l'égide du Haut Commissariat à la consolidation de la paix. Voilà les actions du REFIPA. Madame Kari Falmata, pour les victimes des conflits, REFIPA contribue aussi à leur intégration sociale et économique pour la récupération. Quels sont les partenaires du REFEPA et qu'attendez-vous de davantage Pour récupérer ces femmes, on a fait des centres à Tilabiri, dans certaines contrées comme Terra, Walam, et pas Bani Bangou. Et rappelez-moi le, village, il y a un, autre village. Donc, on a fait des centres de récupération des femmes. Certes, ici, les femmes l'ont dit, il faut outrepasser les AGR. Il faudrait peut-être que la femme ait accès à des crédits pour créer des, une, petite unité d'industrie et créer des emplois, mais refait pas, n'est-ce pas, à un regard sur la récupération de ces femmes-là. Et donc, euh, les déplacés, on s'en occupe, les élèves, on s'en occupe, n'est-ce pas Et les femmes violentées, on s'en occupe. Alors, qu'attendez-vous de vos partenaires Qu'on vulgarise les actions dans les autres régions. Pour le moment, nos zones d'intervention se limitent à quatre régions. On vient d'avoir un financement pour Zender et, Tawa, mais nous voudrions que les huit régions soient couvertes pour qu'on fasse de la médiation pour qu'on fasse la même chose dans les régions de Dosso et de Maradi, que les huit régions du Niger soient couvertes par, par rapport à ça, et qu'il y ait un réseautage de tous les réseaux qui s'occupent de la prévention, de la gestion des conflits et de la cohésion sociale. Et que nos partenaires qui sont ONU Femmes nous donnent, n'est-ce pas, un financement pour continuer nos actions. Parce que un projet fini, il faut que ça continue il faut qu'on dise que dans ces régions-là, même si ONIFAM ne finance plus, que le projet continue sous le contrôle de la communauté, de la mairie et des gouvernements et de l'État. Il ne faut pas que si un projet financé par ONIFAM, un projet dure 4-5 ans s'il finit, il faut bien qu'il y ait une continuité. Il ne faut pas que le projet s'arrête avec le financement. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Soumana Fatima Magaji, directrice de la promotion de la femme et du Jara, au ministère de la protection de la femme et de la protection de l'enfant. Madame Chari Falmata, membre du réseau des femmes pour la paix, REFEPA, et au téléphone, Madame Ibrahim Azara El Haj Mamoudou, dite Alitan, présidente de l'Association des femmes nigériennes contre la guerre, qui participe au forum et au téléphone des puis Agadez. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 6 télévisions en partenaire. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. Merci, au revoir.